C'est pour nous, l'équipe de la ferme des Quatre Chemins et euh, les femmes maraîchères de Touba Dialao, une très grande fierté de vous présenter ce que nous avons accompli ensemble. Depuis la création de notre association, il y a maintenant presque cinq ans. Donc la ferme, comme vous l'avez pu le constater, la ferme des Quatre Chemins est une ferme école qui a pour vocation de sensibiliser, d'expérimenter et de transmettre les pratiques de l'agroécologie. Une agriculture sans pesticides, sans engrais chimiques, qui respecte et qui valorise les processus naturels et qui permet de rendre possible une agriculture durable et économiquement performante. Nous sommes en effet convaincus que l'agroécologie est une solution pour faire face aux défis du changement climatique et une réponse en faveur de la souveraineté et la sécurité alimentaire des populations. Et au-delà d'être un centre de formation, les quatre chemins s'est également fixé pour mission depuis trois ans d'accompagner quatre groupements de femmes que vous avez rencontrés. Euh, et elles ont à leur disposition 8000 mètres carrés de terre, de l'eau pour l'irrigation, des semences que nous récoltons, sélectionnons et conservons dans notre banque de semences communautaire. Donc ces groupements bénéficient de l'expertise de nos fermiers du soutien de nos partenaires tels que la CPS et le GRDR. Donc ces femmes sont intégralement bénéficiaires de leur récolte, donc une, une partie est réservée à la consommation et le surplus vendu au marché. Aussi, notre association ambitionne d'étendre ces parcelles cultivables afin d'accueillir davantage de bénéficiaires. Mais ceci est une première étape. Et il nous reste encore du chemin à parcourir ensemble pour accroître notre résilience. Une résilience qui passe par le développement d'activités de transformation des produits. Activités de transformation génératrices de valeur pour améliorer les conditions économiques et sociales des femmes, des milieux paysans en général, et également contrer l'exode des jeunes. fi day sakkanal poche ndaxte li tax mën a sakkanal poche mën nga ko denc ñeenti fan dara du ci am ñu jàngaat fi lan éducation éducation mooy lan da nga fiy jàng ba pare bés ñëw ñu ne la kaay jàngale ci kon nag loolu am na solo ñu jàngaat fi lan noo xam ni li nga xam ñoom moo ñu wër muy suñu environnement ñu sàmm ko ndax boo ngeen xoolee tey bu ngeen di génne barigo yaa nga ne le tool bu ne def nañ fa barigo kon loo jàng fii boo demee dëkk ba danga ko fay sotti plastique du taxawaalu verre du taxawaalu weñ du taxawaalu boole ci lan développement durable dañuy moom sañu yëf du ñu fëkkee kenn du ñu fëkk loolu rek doy na atu kon nag gàcce ngaa laa ma yéen jigéen problème yi ñu am na ko wax nañ ko mooy problème mu suuf ndax euh, suufu domaine national lañ nekk naam bi ñu ñëwee def euh, instruire nañu seen dossier Euh, defal leen délibération boo xam ne conseil municipal moo ko voté jox leen ñu occupé fii sous préfet approuvé que euh, mais terewul demee d'aménagement temps bu ko état soxlaa daf koy nangu te fii ñu toog nii état moo ko moom ku bëgg bàyyi wala nga bëgg tiit da dem si état mu wutal noonu la mel nag fépp si li fi des maanaam yéen ni mu bindoo mooy mètre carré boo jël am na ku ko moom wala am na ñu ko moom dañ naan fii toolu bay diw la fii toolu keneen la même fi ñu daawul bay sax am na ñu ko moom fi nekk ay xeer kese am na ñoo xam ne boo fa taxawee dañ naan ñoo ko moom léegi nag ñun suñu politique mooy bàyyi képp koo xamante ne ci yaa moom suuf ñun la yaa siy dogal mais comme yaay dogal nag te mënoo joxe këyit da ngay obligé ñëw si ñun ñu instruire wutal la këyit jox la mais mosu ñoo jël benn mètre carré wu nit jox ko keneen d'autorité mosuñ ko def donc ku nekk nag bu nekk nag yaa jël sa suufu bopp jox ko kala neex yaa xam nanga ko joxe